on est extrêmement fiers parce que c'est la quatrième édition qu'on organise et on a aussi invité nos voisins et on voit que l'affluence est présente. Notre objectif euh, qui est de réaliser sans poche et en bonne voie. Donc euh, on est content pour cette journée de don de sang, mais aussi de sensibilisation. On a essayé de vulgariser cette journée de, don de sang euh, pour sensibiliser les populations. Le sang ne se fabrique pas. Il n'y a pas de machine qui fabrique le sang. Ce n'est qu'à travers le don que l'on que l'on peut sauver des personnes malades, des personnes suite à un accident. Et on est tous ou on sera tous peut-être un jour concernés par cela. Donc euh, cette journée est là pour faire le don, mais aussi pour sensibiliser. Et on est extrêmement content de voir que des voisins sont venus euh, pour participer à cette journée de don de sang. Je pense que lorsqu'on fait ce type d'activité, on le fait humainement avant tout. Donc euh, l'objectif, et de pouvoir aider. Et un don de sang permet de récolter le plasma, les globules rouges. Donc une seule poche va peut-être aider trois personnes malades. Et le don euh, ne prend moins de 10 minutes. Donc euh, en 7-8 minutes, le don est fini. Et c'est une opération qui, qui, se déroule très rapidement. Vous savez que euh, le sang, c'est un produit biologique. Ça ne se fabrique pas en pharmacie. Le sang doit provenir d'un homme pour aller vers un autre homme, donc d'un donneur vers un receveur. Et le donneur, il doit être en bonne santé. On doit lui faire faire certains examens de prédent et on va faire certains bilans aussi avant ce don-là. Et après ces étapes, qu'on appelle qualification, ce don va aller auprès du receveur qui est le malade. Donc, euh, c'est une activité que nous voulons, on peut dire, vulgariser, de sorte que le donneur soit de plus en plus fidélisé. Parce que vous savez que ces derniers temps, il y a beaucoup de malades dans les hôpitaux et la demande est très grande. Et l'idéal est que le donneur qui vient donner le sang soit fidélisé, soit transformé en donneur bénévole pour qu'il donne de façon régulière et le sang soit sécurisé davantage. Donc cette activité, c'est de grande envergure. Et euh, pour un homme, quand il donne le sang une fois, il faut attendre trois mois après pour faire un deuxième don, troisième don et quatrième don après lesquels il obtient une carte de donneur. Ce qui lui permet de se reconnaître auprès du centre pour qu'il se fidélise. Et pour la dame, c'est quatre mois après par rapport à la période de menstruation. On fait le groupe sanguin, on fait le VIH, on fait la syphilis, on fait les hépatites. Tous ces bilans-là sont faits gratuitement, après lesquels vous obtenez vos résultats. Et si les résultats sont bons, on vous fidélise. Si les résultats ne sont pas bons, on vous oriente vers un médecin qui est habilité pour vous prendre en charge. Tout se fait dans l'anonymat. L'idéal, c'est que ça se fasse dans l'anonymat. Le receveur ne doit pas connaître celui qui donne le sang. Celui qui donne le sang ne doit pas connaître vers où va ce sang-là l'idéal c'est ça en fait. mu gën a motiver bon ma may deret premièrement xam naa ne donner du sens et sauver des vies donc c'est ce lu nit ñàkk xam ñàkk xam xam na loolu et peut-être ñun ñu koy maye actuellement soxlawuñu ko et suba mën nañ ko soxla donc il faut toujours être dans la prévention que dans la réaction nekk ba mbir am ngay soog peut-être lii may maye ni mën naa ko fekk kenn xamul bu ma génnee lan moo may dal mën naa ko may tey léegi soxlawaat ko ngoon donc à chaque fois bu ñu amee opportunité am possibilité def ko aussi on n'hésitera pas de le ñu ko mësul def te am santé war ko mën a maye parce que aussi am na ñu ko mësul def peut-être dañu amul euh, wér yaram pour mën ko maye mais ñi nga xamante ni yàlla may na leen wér-gu-yaram te yàlla mooy maye wér yaram ñu mën ko maye maa ngi leen di conseiller ñu jóg maye ko parce que kenn xamul kan moo koy soxla suba té amna ño xamné actuellement ils en ont besoin donc mieux ñuy dem di maye mieux on sauve des vies